Je pensais que j'avais quelque chose, vous, préparez la Coupe, d'Afrique, ou bien vous avez... non, <laughs> c'est une inauguration, une cinquième inauguration euh, de ce fameux terre-là. Terre. Terre, mais c'est incroyable. Demb, wallahi. classe A classe B Manam pauvre richard richard high level mais ça n'existe pas Terre, terre terre France oui, français la terre amul terre place Badol, place bourgeois Je ne Sénégal place Badol, place bourgeois parce que nee nañ VIP 2500. pauvre mais ça n'existe pas mais ça n'existe qu'au Sénégal déjà yow ni terre lañ Sénégal Sénégalais yow sax mi France yow mi ba France malgré que booy booy bi moom sax hôtesse la hôtesse de l'air la Air France lay lay liggéey Air France la nekk fu nekk loogi lay dem ci monde bi fu ne partout loolu moo tax